Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Rabia Mekano et je suis avec Habiba Ahmed. Habiba, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Rabi. Et toi Ça va bien aussi. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Habiba, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information. Dans ce numéro, nous aurons également dans la rubrique écho des régions qui nous amène à Difa pour parler de consommation de stupéfiants par les jeunes à Gingimi. Nous suivrons également un entretien avec Abdul Jalilou Al-Haji Samma, le commissaire régional de l'association des scouts de Zender. Nous aurons la rubrique hebdo consacrée à la justice, les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Amina Hassan. On débute cette émission avec les flashs d'informations présentés par Rafika Taher. Bonjour, Bonjour Bonjour les filles, comment vous allez Ça va bien. Ça va bien. Tiens quoi pour nous ce matin Alors pour ce matin, les autorités nigériennes ont annoncé hier la réouverture de l'espace aérien national pour les vols civils et commerciaux. Pour rappel, l'espace aérien du Niger était fermé depuis le 6 août 2023 par le CNSP face à une menace d'invasion militaire à partir de pays voisins suite au coup d'État militaire du 26 juillet. Cette décision ne s'applique pas aux vols militaires et autres vols spéciaux qui, eux, sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes. Dans un autre communiqué du ministère de la Défense nationale publié samedi 2 septembre, fait le communiqué fait état d'une attaque d'hommes armés suite à une embuscade contre un élément des forces de défense et sécurité à Ourogeladjo. Un ratissage par les militaires a permis de neutraliser 10 assaillants, dont six blessés emportés, un véhicule et trois motos détruits côté ennemi. Le ministère de l'Intérieur a annoncé quant à lui la suspension de toutes les activités des organisations internationales ONG et agences des Nations Unies dans les zones d'opération militaire en raison de la situation sécuritaire actuelle, une décision qui risque d'amplifier la crise humanitaire qui prévaut dans plusieurs régions pays où l'aide aux populations déjà en situation de vulnérabilité peine à parvenir depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, selon Actu Niger. Toujours dans l'humanitaire, dans un communiqué de presse vendredi, l'OIM demande un corridor humanitaire pour l'aide et le retour des migrants en transit. Selon l'agence onusienne, quelques 5000 migrants sont bloqués dans ces centres de transit installés dans le pays. Un tel corridor permettrait à l'OIM d'organiser un retour sûr, digne et volontaire des migrants vulnérables piégés au Niger vers leur pays d'origine, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève Christopher Gascon, directeur de l'OIM pour l'Afrique centrale et orientale. À Agadez, les eaux de pluie occasionne deux morts et d'importants dégâts matériels. En effet, une puissante tempête et une forte pluie occasionnent d'importants dégâts matériels de la ville d'Agadez. Les eaux de ruissellement, les eaux de pluie ont occasionné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, ce qui met en évidence la nécessité de mettre un accent particulier sur la politique d'aménagement des centres urbains. En effet, le schéma d'aménagement de la ville n'est pas du tout respecté par la municipalité. Depuis ce matin, la société Société nigérienne de l'électricité est à pied d'œuvre pour remettre sur pied les poteaux mis hors d'usage par les fortes pluies le vendredi, indique l'agence nigérienne de presse. Merci bien, Rafika. À bientôt. À bientôt, Ravi. Dans quelques instants, chers auditeurs, nous suivrons notre entretien du jour avec Abdul Jalilou El Sama. Il est commissaire régional de l'association des scouts de Zinder. Chers auditeurs, mais avant cela, écoutons le morceau roi de l'artiste Ali Atibulu de Gender, indubitablement un chef-d'œuvre de la musique contemporaine nigérienne. rumbu ta ɗauɗa mandawa ba malami ya buɗe takarda ba zai shiga aljanna ba sanin Allah c'est que Ali Hachibli maîtrise l'art de mettre l'ambiance et de faire danser, surtout les jeunes. La fusion habile entre les sonorités traditionnelles et contemporaines et les transitions de rythme au sein de cette œuvre témoigne du talent musical extraordinaire de l'artiste. Il s'agit vraiment d'un joyau de la musique moderne nigérienne qui mérite d'être écouté en boucle. Passons à notre entretien du jour Rabi again. Passons à notre entretien du jour, Rabi, qui nous amène à Zender, justement. Oui, Habiba, l'invité d'aujourd'hui est Abdul Jalilou El Hajsama. Il est commissaire régional de l'association des scouts de Zender. Dans la première partie, nous, il nous parle de son adhésion au mouvement des scouts et des valeurs défendues par le mouvement au micro de Moustapha Mamansani. Vers 2005-2009, quand les jeunes venaient de Niamey, à l'intérieur du Niger, particulièrement à Tanout. Donc quand nous causons euh, avec eux, ils nous parlent beaucoup de ce mouvement éducatif. Et étant déjà de l'association des jeunes, leader dès les bas âge, donc nous avons vraiment compris que c'est un mouvement qui peut beaucoup nous être euh, utile, raison pour laquelle donc nous avons dit de tout faire pour vraiment adhérer à ce mouvement. Fort malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas ce mouvement là-bas, donc il a fallu 2009-2010 euh, une fois arrivé à Agadez, c'est là-bas que nous avons eu la chance d'adhérer à ce mouvement. C'est comme ça que nous avons commencé à tenir des réunions avec les jeunes au niveau d'Agadez, les responsables du mouvement. Bon, avec un peu de dynamisme, nous avons donc pu vraiment un peu exceller dans le mouvement depuis là-bas, jusqu'à même avoir la chance d'aller à, l'un des plus grands rassemblements de ce mouvement, venir ici même à, à Zender, d'Agadez à Zender, pour venir suivre une formation fondamentale dans le cadre de cette euh, activité. Quelle valeur défendent les membres du scout à travers le monde et particulièrement au Niger la mission principale, c'est créer un monde meilleur. Et qui dit créer un monde meilleur, donc c'est de faire en sorte que partout où vous êtes, la situation dans laquelle vous vivez, vous faites en sorte qu'elle soit meilleure. Et qui dit meilleure, donc quelle qu'en soit l'aisance dans laquelle vous vivez, vous souhaiterez que demain, elle sera beaucoup plus améliorée que celle dans laquelle vous êtes. Quelle qu'en soit l'éducation qu'on est en train de donner aux jeunes, il faut faire en sorte que cette éducation-là soit améliorée. Et quelles qu'en soient les activités que les jeunes mènent, il faut faire en sorte que ces activités soient améliorées également. Voilà donc euh, la valeur que nous sommes en train de défendre. Et ça, c'est partout à travers le monde. C'est pas seulement ici à Zander, c'est pas seulement à Niamey ou à Tillabéri, c'est partout à travers le monde. Est-ce que les jeunes s'intéressent aujourd'hui aux idéaux que vous défendez nous constatons de plus en plus un petit, je dirais pas un relâchement, mais quand même, euh, il y a quelques valeurs euh, qui seraient en train de s'étioler un peu. Euh, ça du fait de, de non-engagement des jeunes à se donner vraiment corps et âme pour aller défendre la valeur que nous avons parlé tout à l'heure. Donc, ce qui fait que vraiment, ils s'intéressent, mais pas beaucoup. Mais récemment, nous avons constaté vraiment un grand changement puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, en ce qui concerne Zander, il y a eu beaucoup de progrès et d'amélioration en ce qui concerne le mouvement à travers uniquement l'amélioration de l'effectif. Et nous recevons beaucoup de messages et d'appels. Il suffit simplement de faire une publication sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, euh, Telegram ou WhatsApp. Donc vous allez voir vraiment, vous allez recevoir des messages individuels, les gens qui vous demandent comment adhérer, comment adhérer à ces mouvements tellement que c'est intéressant. C'est mitigé tout simplement. Quelle est votre ambition en tant que jeune membre du SCOUT et surtout en tant que commissaire de la région de Zender Elles sont nombreuses, mais la principale ambition, c'est de faire en sorte que l'effectif soit rehaussé. Nous sommes partis de quelques, maximum même, hein, quelques 300 au niveau de toute la région de Zandrik. Nous sommes passés entre 2019 à 2023 cette année à quelques 957 éléments au niveau de la région. 957 éléments, ça c'est officiel. Euh, vous constaterez avec moi que vraiment l'ambition que nous sommes en train de nourrir, de faire en sorte que l'effectif soit rehaussé, que partout qu'il puisse y avoir ce mouvement dans la région de Zander, il est en train d'être vraiment, il est en train d'être acquise, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons ce mouvement ici à Zander, nous avons à Tanout, nous avons à Belbéji, nous avons à Gouré, Myria, ainsi de suite. Presque dans tous les départements qui comptent la région des Zander, y compris dans Magaram Takaya. Je dirais que l'ambition, c'est surtout celle-là, et faire en sorte que surtout la valeur que nous sommes en train de défendre, qu'elle puisse être rayonnée partout au niveau des autres associations de jeunes. Quelles sont les activités que l'association des scouts mène ici à Zender et comment trouvez-vous les ressources pour euh, mener ces activités D'abord, il y a les activités de formation, des séances de formation, puisque chaque samedi, nous nous regroupons au niveau de notre centre. C'est fondamental ça. C'est des formations que nous donnons aux jeunes. Échanger avec les jeunes, le respect envers leur pays, le respect envers leurs parents, le respect envers leur propre Dieu. Des séances de formation physique les entraînements, les échauffements. Donc, euh, une fois fini, l'enfant ou bien le jeune, il rentre à la maison tranquillement, il s'est lavé, il va se retrouver. Mais les activités qui sont les plus connues, ce sont les activités de reboisement. Il y a la plantation d'arbres que nous faisons. Mais nous, notre particularité, quand nous plantons, nous ferons tout pour mettre en place un comité qui est chargé de suivi de tout ce que nous avons planté. En plus de ça, il y a les activités de salubrité. Nous participons beaucoup aux activités de salubrité, que ce soit des désherbages, que ce soit les remblayages des trous, ainsi de suite, tout ça, nous participons. Même le week-end dernier, il y a une activité de la sorte qui a été menée, qui a resté un nombre important de participants. Avant de poursuivre cet entretien, un deuxième tour en musique avec les titres Tout pour moi des Mistakal en featuring avec la Q-Mint. C'est quoi Música sunsa idan kalina ya kunta na samu suna ba ni shi ban gani suna ne a zuciyata shi ya saba ruwa na da sauran 'yan mata o mahoni honi zo mu shi daɗi suti suti ne gudba le jaloux da son take some more, take J'affronterai les obstacles pour une vie ensemble. Je ne vais pas me réveiller de ce sommeil, je vais vivre ma vie. de Mr. Kyle en featuring avec la Queen Mint, une véritable pépite qui met en lumière le talent de ces deux artistes nigériens. Leur collaboration apporte une dimension unique à la chanson, mêlant des styles et des voix harmonieuses. On espère bien avoir fait plaisir à tous les lovers qui nous suivent sur cette émission. Nous allons, Nous allons poursuivre notre entretien du jour avec les jeunes commissaires des scouts de la région de Zender. Voyons à présent les activités qui mènent les scouts à Zender. En plus de ces activités, il y a le don de sang. Nous organisons des séances de don de sang pour venir assister les malades qui ont vraiment ce besoin. Peut-être la particularité du scout, c'est la visite aux parents. Quand nous avons des jeunes qui excellent dans le mouvement, nous ferons tout pour aller faire un comité, une dizaine ou vingtaine de jeunes en tenue correcte. Nous partons vraiment visiter les parents, échanger avec eux, les saluer pour que vraiment ils puissent eux-mêmes comprendre que c'est un mouvement assez sérieux et que à travers cela, qu'ils soient coopératifs par rapport à tout ce que nous faisons jusqu'à peut-être laisser les enfants pour venir non seulement participer aux activités, mais faire en sorte que les autres aussi puissent être intéressés à ce mouvement et donner ou bien permettre à leurs enfants pour venir et aussi adhérer à ce mouvement. Voilà en ce qui concerne les activités de façon peut-être brève. Comment voyez-vous l'avenir du mouvement du scout au Niger en général et à Zender en particulier, surtout dans un contexte marqué par le matérialisme L'avenir, c'est surtout la précédente question, les moyens à travers lesquels nous faisons ces activités. C'est un problème de matériel ou bien des, ressources matérielles pour faire les activités. C'est que sûr, c'est très difficile vraiment de, penser à un avenir meilleur pour le mouvement. L'un de l'autre, nous faisons tout pour que vraiment la question du matériel ne soit carrément écartée des activités que nous menons. Donc il suffit simplement d'organiser l'activité aller peut-être voir au niveau des différentes euh, euh, communes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériel de travail pour aller travailler. En plus de ça, il y a ce que nous, nous essayons de cotiser entre nous pour trouver de quoi mener nos activités de façon sobre, sans pour autant peut-être d'attendre quoi que ce soit de la part des autres, euh, entre griffes. Mais l'avenir, sincèrement, l'avenir, il est, il est prometteur. Pourquoi j'ai dit ça Parce que l'effectif est en train de devenir euh, assez conséquent. Et qu'il y les, tant qu'il y a les ressources humaines, je pense que les activités en ce qui concerne le scoutisme seront beaucoup plus organisées et renforcer même, pourquoi pas, au niveau de la région des Andes. Donc l'avenir, il est vraiment prometteur et nous avons beaucoup d'espoir par rapport à ça puisqu'il y a déjà une génération qui est en train de prendre la relève et qui souvent c'est quand elle organise même les activités qu'elle fait appel à nous et nous nous venons pour vraiment soutenir ces jeunes-là. Donc je pense qu'à travers cette, euh, cette initiative qui consiste à vraiment donner la possibilité de responsabiliser les autres je, pense que l'avenir, en ce qui concerne Zander, je précise bien, l'avenir vraiment, il est, prometteur. Un mot par rapport à la nomination de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Niger, qui est une de vos membres. Effectivement, c'est une de nos membres, puisque <laughs> nous, moi, ma particularité, c'est que c'est une jeune fille que je connais depuis Agadez, puisque Agachata Ata, euh, elle a commencé le scoutisme avec nous à Agadez, euh, au niveau du collège Sony Alibert, euh, ancien Sony vers aéroport. Donc, c'est là-bas. Elle avait 15 ans qu'elle a commencé. depuis qu'elle a commencé, elle était très dynamique, elle était très engagée. Et je pense que ça, ça a beaucoup pesé dans sa nomination, même si sa nomination peut ne pas avoir un lien avec le mouvement, puisque ça peut être une affaire peut-être de connaissance ou bien à travers ses compétences. Et surtout, ça, son engagement à défendre les valeurs culturelles en ce qui concerne le Niger de façon générale et particulièrement la région d'Agadez. Tout ce qui est peut-être des objets à faire découvrir du patrimoine culturel de notre pays, elle fait en sorte qu'il soit connu partout à travers le monde, à travers des publications, à travers des rencontres auxquelles elle participe. Et je pense que c'est vraiment c'est un, acquis tout simplement pour notre association puisque déjà elle a fait un message pour dire qu'elle est avec nous elle sera avec nous partout où tout ce qu'elle peut faire pour le mouvement pour l'association qui a fait en sorte qu'elle soit là où elle est elle fera en sorte que vraiment nous puissions travailler ensemble et je pense que c'est vraiment un acquis et c'est un message fort à l'endroit des jeunes c'est une première j'ai appris que c'est une première en Afrique de l'Ouest une jeune de 28 ans qu'elle est nommée ministre. Je pense que c'est un signal fort. Et les jeunes, partout où ils sont, ils doivent vraiment euh, se dire que vraiment ils, sont, ils seront capables, eux aussi, d'assurer la relève, puisque c'est ça le problème. Quand vous voyez souvent la façon dont les jeunes participent aux activités, vous direz que c'est vraiment lamentable, mais quand même avec ça, je pense que c'est un signal fort qui est en train d'être donné à l'endroit des jeunes et j'invite les jeunes vraiment à faire en sorte qu'ils puissent l'accompagner euh, de sorte que la feuille de route qui lui sera tracée, elle puisse vraiment la suivre euh, intelligemment et avec euh, beaucoup de brio. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Rabia Mekano et Habiba Ahmed. À la technique, nous avons Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Nous poursuivons cette édition avec notre rubrique Hebdo Habiba. Oui, dans la rubrique hebdomadaire Justice de ce lundi, nous allons voir la filiation et le définir en droit comme la transition de la parenté lorsqu'une personne descend d'une autre. En droit nigérien, la filiation est tout simplement comme un lien qui existe entre ses parents ou l'un d'entre eux. Aujourd'hui, dans notre rubrique hebdomadaire justice, nous allons voir les différents modes de filiation ainsi que son régime juridique. C'est dans un entretien que Abdourazak Mahazou a accordé à Tamnan Foudey Ahmed. Maître, qu'est-ce que c'est que la filiation peut se définir comme le lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents ou seulement l'un d'entre eux. Quels sont les différents modes d'établissement de l'affiliation L'établissement de l'affiliation se fait suivant deux manières. D'abord, il y a les modes légaux d'établissement de l'affiliation. Ensuite, l'établissement de l'affiliation peut se faire suivant une procédure judiciaire. Pour les modes légaux, il en existe deux cas. Premier cas, l'affiliation par le fait de la loi qui s'établit par la désignation du père ou de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. Plus particulièrement en ce qui concerne l'affiliation à l'égard du père, le mari bénéficie de la présomption de paternité si l'enfant a été conçu ou si l'enfant est né pendant le mariage au sens de l'article 312 du Code civil. Deuxième cas, la filiation par reconnaissance volontaire qui est un acte juridique solennel unilatéral par lequel une personne déclare son lien de filiation à l'égard d'un enfant. Cette euh, reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant et elle n'établit la filiation qu'à l'égard de son notaire. Il faut rappeler que cette reconnaissance volontaire est irrévocable. S'agissant de l'établissement judiciaire de l'affiliation, il est possible au moyen des actions en justice qui permettent d'établir l'affiliation. Tout d'abord, il y a l'action en recherche de maternité qui peut être exercée à défaut des titres et des possessions d'État, et l'action en recherche de paternité qui est réservée autant pour moi à l'enfant qui pourra eh, l'exercer pendant une durée de 10 ans à partir de sa majorité. Mais pendant la minorité de l'enfant, l'action en recherche de paternité ou de maternité peut être exercée par le père ou la mère. Donc l'action en recherche vise à prouver que l'enfant est effectivement l'enfant biologique de la mère ou du père. Ensuite, il y a l'action en rétablissement de la présomption de paternité qui peut être exercée quand la présomption de paternité a été écartée. Cette action est ouverte à l'enfant majeur pendant les 10 années qui suivent sa majorité. Et si l'enfant est mineur, cette action est ouverte à ses parents. Donc l'action en rétablissement de la présomption de paternité vise à prouver que le mari est le père biologique de l'enfant. Enfin, l'action en constatation de la possession d'État. Pour rappel, cette action désigne le fait pour un individu de se comporter et d'être considéré comme l'enfant d'une personne. La possession d'État permet donc d'établir la filiation à condition qu'elle soit constatée par un acte de notoriété ou un jugement. Cette action est ouverte à toute personne intéressée et elle doit être exercée dans le délai de 10 ans à compter de la cessation de la possession d'état allégué ou à compter du décès du parent prétendu. Est-ce que les actions en filiation sont soumises à un régime juridique propre Le régime juridique des actions en filiation tient au délai de prescription, aux effets des jugements et au moyen de preuve. Pour le délai de prescription, il est de 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'État qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'État contesté. En ce qui concerne la preuve des actions en filiation, elle est libre et elle peut être rapportée par tout moyen. En principe, les parties peuvent recourir à l'expertise biologique, mais le juge peut refuser d'ordonner l'expertise biologique s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Par exemple, quand il existe des éléments de preuve suffisants pour prouver la filiation ou en présence d'éléments constitutifs d'une possession d'État. Aussi, il faut rappeler qu'au nom du principe de l'inviolabilité du corps humain, l'expertise biologique ne peut être réalisée sans le consentement de l'intéressé. À noter que le juge peut tirer les conséquences d'un refus de faire recours à l'expertise médicale, tel un aveu tacite de paternité. S'agissant eh, des effets du jugement relatifs à une action en filiation, il comporte un effet déclaratif en ce qu'il reconnaît une situation qui existe depuis la naissance de l'enfant. Et les effets du jugement et des actions en filation sont rétroactifs. Mais ce caractère peut être écarté en cas de délit d'abandon de famille. Merci bien Tarnan Foudé Ahmed. Habiba, je crois que c'est le moment de faire une pause musicale qui nous amène à Difa cette fois-ci. Oui, Rabbi, nous partons à Difa pour écouter de l'algaïta, une flûte traditionnelle avec le dauphin Chetema Ganga. né à ce roi dans la région de Dufa. Il avait une place de choix dans la communauté, avec son rôle traditionnel si important qu'il a su le porter au-delà du canton de Méné-sur-Roi. Cette mélodie d'instrument traditionnel est une référence au peuple du manga qu'on joue lors des grandes cérémonies. à l'écho des régions à présent. Oui, Habiba, je reprends mon souffle. Nous restons toujours à Difa pour parler de la consommation des stupéfiants. Elle est la principale cause. Elle est la principale cause des conflits interpalais ou interjeunes à Genghimi. Parfois, cela est dû aussi au manque d'emploi, ce qui fait que les chômeurs s'entassent dans le même endroit. Le reportage est signé Abdoulaye Meina. À Ningimi, le conflit interpalais prend de l'ampleur qui conduit parfois jusqu'à la perte en vie humaine. La consommation de stupéfiants serait à la base selon les investigations. Boubacar Ousmane, un analyste, explique. ta fito daga shugabanni wannan sakaki nasu ne ba na kowa ba domin shi ko a ina ka ka duba mutane akwai tsari akwai fasali a cikin zamantakewa na al'umma wannan tsari kuma babu wanda yake da dokoki wanda zai sami sai shugabanni su suke da wannan hurumin daman su ne su ya kamata su dauki wannan mataki su ladabtar da mutane mutane su gane da cewa lalle akwai hukuma amma sakakin su yasa gashi abubuwa da dama yake faruwa kuma daga abu ya faru kasancewa mutanen garin gigimi suna da haƙuri sai su suna da tawakkali suna cewa ai Allah ne ya dora musu eh lalle tabbas komai yana da sababi akwai abin da Allah ke dora ma kuma akwai abin da yake sakaki na al'umma ne mu sani wannan duka haƙoƙi ne akan mu wanda ya kamata duka mu musabki in an ka duba a cikin yanayin zamantakewa na ko ina da ina in ka je ka duba yanayin yanda wanda fitinan na ya koro su Allah ya kawo su nan wurin a ko ina inda ka tafi za gani sansani nasu daban ake musu kuma ana fudda su ne a shari ake aje su amma mu sabani anan muna da su daga in ka duba ta kowane fanni a kewaye da mu ne Mosque. Selon le secrétaire général de la mairie de Ningimi, l'État est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à ces problèmes. Abdoulaye Choukou, SG de la mairie. ta fannin gwamnati tana nan tana fama ɗan ta hanyoyin da za ta bi ta matasa aiki tare da partenarkin ONG da suke zuwa kenan kowace sahiya ana yi mu za mu doki matakan da za mu sensibilizar mutane da cewa wannan abin ba cikin tabiyar mu take ba kuma na uku me ne matakai ne za a dauka tsakanin mu da gwamnatin mu taru mu zamana mu san cewa wace irin matakai za a dauka wannan mai harkar mayen nan da wasu wurrukan da an san ana saida su cikin cikakkun wurin ne ana kan hanya zuwa ne muke yi yanzu cikin nazarin ne ake kuma cikin doka matakan ne ake muna zuwa wurin raka da ya mun yi identification su kuma muna zuwa saman su don mu samu mu cimma wannan abun masala kenan abun da muke nema al'umma ita tashi ne za ta yi saya ta ba mu mutane tarbiya cikin gida in tarbiya a gida ta ta barbare Pour mettre fin à cette situation, il faut que le gouvernement sensibilise les personnes affectées par le conflit et sur les lois et les cultures du pays. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, accueillons ensemble notre chroniqueur sportif Adam Sariou pour la page sport. Bonjour Adam. Bonjour Abi. Bonjour Abiba. Bonjour Adam. Alors Adam, nous allons commencer cette page sport avec la clôture de plusieurs tournois des grandes vacances à Niamey. Eh bien oui, débutons par le TGV Intala, le plus ancien de tournois des grandes vacances du pays, où la finale a opposé ce samedi le dollar FC au Jaguar FC. Le dollar s'est imposé sur le score de 2 buts à 0 devant ses nombreux supporters. Adam, après Yantala Destination, la finale du tournoi des grandes vacances de Goudel, qui a été jouée hier dimanche Oui, eh bien, la finale a opposé les académiciens contre Nordiré FC de Harobanda, les académiciens qui ont mené au score depuis la première mi-temps. Se sont finalement imposés sur le score de 1 but à 0. Le premier de cette huitième édition a reçu la somme de 200 000 francs et une coupe, tandis que le dauphin est reparti avec 150 000 francs et des ballons. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le secrétaire général à l'organisation de ce tournoi, qui est plus que satisfait au micro du studio Kalangou. Nous félicitons vraiment la réussite de cette euh, édition, l'édition 2023, qui, est, qui, a bien reçu. nous remercions aussi le promoteur la Idriss Nourou mon camp nous connaît sur le nom de voyageurs. Et nous remercions aussi toutes les équipes qui ont pris part de cette édition. Nous remercions l'ensemble des supporters euh, et les médias et tout le monde qui se sont donné leur temps pour assister à nos matchs du début jusqu'à la fin aujourd'hui. Nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes vraiment très satisfaits de cette édition. Vraiment, les difficultés que nous avons rencontrées cette année sont d'abord en premier lieu le terrain qui a été détruit. Vous avez vu de votre euh, yeux de comment on s'est décarcassé pour avoir un terrain de football ici à Goudet. C'est un terrain de 76 mètres sur 58. Vraiment, nous n'avons pas vraiment pu attendre avoir un terrain réglementaire. Mais avec l'effort du membre du comité d'organisation, nous avons vraiment pu vraiment être euh, au rendez-vous pour ne pas, pour ne pas manquer l'édition 2023. Toujours en football, Adam, le samedi, la Fédération nigérienne de football a organisé une assemblée générale ordinaire à Niamey. Eh bien oui, cette assemblée a réuni l'ensemble des acteurs du football nigérien et a vu l'adoption de plusieurs résolutions dans le financement et le soutien au club, l'acceptation des rapports d'activité et financiers par le président de la commission finance, M. Ousseini Ibrahim, et l'auditeur Ahmed Diallo. Et enfin, les prévisions de la saison 2023-2024 ont été également adoptées. C'est la fin de cette chronique. À bientôt pour un autre numéro. Merci, bien, Adam. Après le sport, allons découvrir notre star du jour dans la rubrique portrait. Oui, Habiba, nous allons à la rencontre du jeune Abdulkader Abdulkarim, un jeune entrepreneur dans le domaine du numérique à Gaïa. Âgé de 28 ans, il offre plusieurs prestations de la sérigraphie, l'imprimerie, le photoshoot, la couverture des événements, réalisation de vidéos événementielles. Un portrait signé Fadel Alou. C'est dans l'après-midi que le jeune Abdelkader nous ouvre les portes de son entreprise située à l'étage d'un immeuble en plein centre-ville de Gaïa. Avec ses deux employés, ils offrent plusieurs services numériques à la population. Je dirais on fait beaucoup de choses. La photocopie, saisie, impression, photo minute, scannage, t-shirt, casquette, mog, euh, porte-clés, les photoshoots, les photos événementielles, les badges, les fleurs, tout ce qui est impression et communication, c'est quelque chose qui est notre domaine et on le fait ici. Logisticien de formation, c'est l'envie de faciliter l'accès aux services numériques à la jeunesse du département en réduisant les prix que Abdelkader s'est lancé dans cette activité. Vraiment, c'est par curiosité que je l'ai appris. Et quand j'étais parti à Niamey pour les études supérieures, l'impression, tout coûtait moins cher que chez nous. Pourtant, je me dis que euh, normalement, chez nous, ça devrait coûter moins cher parce que nous, on est à la frontière. Et je me suis dit, bon, un jour, je vais créer une entreprise qui va réduire le train de vie de la population de Gaïa. Aujourd'hui, tous ceux que j'ai trouvés sur le terrain ont réduit leur prix à cause de moi. Ce soir, un de ses plus grands clients est venu prendre une commande. Il apprécie la qualité des services offerts par le jeune entrepreneur. La qualité hier dans ses activités. C'est ça qui nous pousse à venir envers lui. C'est pas pour la première fois que je suis son client, il y a de cela au moins un an et je suis toujours satisfait. Cet entrepreneuriat lui apporte une assise financière, mais il se frotte à certaines difficultés. C'est d'abord la concurrence déloyale qu'on a ici on est dans une ville où il y a des frontières à côté. moi, je suis désolé de savoir qu'il y a des gens qui préfèrent aller travailler au Nigeria juste parce qu'il y a une différence de 250 au lieu de travailler ici. Je ne dirais pas forcément de venir travailler chez moi, mais de travailler de la ville dans laquelle vous vous trouvez pour aider les jeunes entrepreneurs à grandir. À 28 ans, Abdelkader est marié et père d'un enfant. Il ambitionne de faire grandir son entreprise dans les années à venir et offrir plus de nouveaux services. Let's go pour notre dernière balade musicale de ce matin. Rabi, tu nous proposes quoi Habiba, pour la dernière musique de cette édition, écoutons Maliaro avec ce titre La femme. femmes, ce titre de Maliaro que nous dédions à toutes les femmes du studio Kalangu qui travaillent d'arrache-pied pour les programmes du studio Kalangu. Voyons à présent ce que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti aujourd'hui. Le loti du desk femmes du studio Kalangu de ce jour porte sur l'utilisation des somnifères par certains parents pour endormir leurs enfants. En effet, certains moments pour pouvoir travailler ou vaquer à leurs occupations donnent des somnifères à leurs enfants. La prise de somnifères paraît efficace dans un premier temps, mais sur le long terme, les risques sont nombreux. Écoutons Rekia Harimi, Made et Samira Rouafi. le travail est fini, je peux rentrer tranquillement à la maison, me reposer. La journée sera longue demain. Sahura, Sahura, va me réveiller ta petite soeur, on va partir. Tanti, elle dort encore, j'ai tout fait pour la réveiller en vain. Ah ah ah, comment ça Maria, Maria, Maria, tout. Elle dort profondément, hein Bon, je vais la mettre au dos. Elle se réveillera à la maison. On y va. Maman, tu rentres déjà oui, je suis trop fatiguée. À demain pour le baptême. Marie adore encore. Depuis que vous êtes arrivée, elle ne fait que dormir. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle se porte bien. Je lui ai donné un somnifère pour que je puisse aider dans les préparatifs du baptême de demain. Sinon, elle va me déranger. Mais je crois que j'ai un peu abusé sur la dose. Quoi Tu donnes des somnifères à ta fille Pour qu'elle ne te dérange pas Et pourquoi tu l'as accouchée tu vas détruire la vie de ton enfant pour rien. Détruire sa vie juste en la faisant dormir Pourtant, le sommeil est bon pour la santé. Ah, je ne vois pas en quoi je lui ai fait du mal. Tu me fais rire, hein. Tu ne vois pas en quoi tu lui fais du mal. Tu ne sais pas que c'est juste quand une personne a un trouble de sommeil qu'elle peut prendre des somnifères. Est-ce que c'est le cas de ta fille Non, elle dort normalement quand il le faut. En fait, je lui donne ça quand je vais dans des rassemblements. La nuit, je n'ai pas de problème avec elle c'est grave ce que tu fais. Ce sont généralement des enfants qui pleurent la nuit ou ne dorment pas tôt, empêchant la famille de se reposer à qui on donne des somnifères. L'usage des somnifères n'est pas sans conséquence sur la santé. L'administration des somnifères est fortement contre-indiquée avant l'âge de 1 an, alors que ta fille n'a que 6 mois. En plus, ça doit être préconisé par un médecin. En tout cas, jusqu'à présent, elle n'a eu aucun mal avec ça. La prise du somnifère paraît efficace dans un premier temps, mais à long terme, les risques sont nombreux. Une consommation régulière de somnifères, surtout chez les enfants, est accompagnée d'un certain nombre de risques qui l'emportent probablement sur les avantages. Hé, hey, Halima, en fait, je lui donne ça seulement quand on sort, donc ce n'est pas beaucoup. Seulement quand on sort, ce n'est pas beaucoup. Tu m'énerves, hein <laughs> Halima En plus, tu ris. Tu ne sais pas que l'intention régulière et à long terme des somnifères a un certain effet secondaire potentiellement grave sur la vigilance, l'apprentissage et la mémoire À court terme, l'utilisation des somnifères provoque une baisse de la concentration et de la vitesse de réaction, et à long terme, des maux de tête, fatigue, vision trouble, sensation de somnolence ou de vide, faiblesse et fatigue musculaire, vertige, etc. Et j'en passe. Hum, tout ça là, c'est trop. Tu es sûr de ce que tu me dis Tu oublies que je suis dans le domaine de la santé Vraiment, si c'est comme ça, je crois que je vais arrêter. C'est dans ton intérêt en tout cas. Écoute-moi, certaines adaptations peuvent résoudre ton problème. Si tu veux que ton enfant dorme, mets-le dans un endroit calme, détendu et relaxant avant. Chez certains, prendre un bain s'avère bénéfique. C'est mieux que de lui donner des somnifères. J'ai bien compris, Halima. Tu vois, Maria dort toujours. Et avec tout ce que tu viens de me dire, je suis inquiète. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter que les problèmes vont commencer. Non, je pense que ça ira, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut plus recommencer, surtout pour des futilités comme ça. Du genre, non, je ne veux pas qu'elle me dérange. Inch'Allah, je te promets, Halima. Merci les filles, place à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Jackie Dalton. Oui, aujourd'hui avec Jackie, nous allons voir comment s'exprimer quand on ne comprend pas quelque chose en anglais. Hello, I hope you're well. Bonjour, j'espère que vous allez bien. I don't understand. Can you repeat that? Aujourd'hui, on parle de comment s'exprimer quand on ne comprend pas ce que quelqu'un nous dit. Je ne comprends pas Savez-vous comment le dire en anglais I don't understand. Understand, ça veut dire comprendre. I don't understand. Je ne comprends pas. Pour dire je comprends, c'est I understand. I understand. Je comprends. I don't understand. Je ne comprends pas. Une autre phrase utile. Can you repeat that? Can you repeat that? Pouvez-vous répéter? Can you repeat that? Et maintenant un quiz pour voir ce que vous avez retenu. Comment dire je comprends? La réponse I understand. I understand. Et comment dire je ne comprends pas I don't understand. I don't understand. Et comment dire Pouvez-vous répéter Can you repeat that? Can you repeat that? I don't understand. Can you repeat that? That was today's English phrase. I hope you understood. And contact us if there are words or phrases that you'd like us to explain in English. N'oubliez pas de nous contacter s'il y a des mots ou des phrases que vous souhaitiez qu'on explique en anglais. Merci et à bientôt. Thank you. Until next time. Merci Jackie Dalton depuis Lausanne, chers auditeurs. Merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh studio kalangu aino salai musa kango winditan lalle la kalkana do harai irla bugu bukata ko lakkal kalkana ga gum gum gum man cikaina agi himanda radiyai bon wala hay himanda im sensibilisation en te borese langa bon feerey kanga boray cendiga konda lakkal kana do boray mo hoggayde labari tari wonay internet ay e bon sanne ke sinne cede bon kayanga hin kanda lakkal tunay boray de cergamra boray mo ko kadi ka wada wodi yen irko mo se lakkal kana irko mir labono lakkal kana irko subhanahu wa ta'ala mir fahamandi irko mir wa tar tar labari de hangani yen salamu alaikum sido kalangu aino hajar hamidu kango bolle yara songo fayank fayank kigote irko de mir wada fayank fayank wa asiburi yari ngabinde irko mna irmo ba ka fo ba bu fo gamnan kulkan fayan fayan ka te fitin na ka dai ya dinga irko talibar hannu mun musamman da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kalangu nya ka fosin su tai ai mayo isa haruna jole irgan ware irne zalla bo sai la kalkane irko ma aslami wa fakandi irga bara irdimo annema zumbu la kalkana point final de cette édition du lundi 4 septembre 2023. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et Rabia Mekano. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Amina Hassan. Très bon après-midi et bon début de semaine à tous.